population de Sali, mesdames et messieurs, chers invités, grâce à la volonté du maire Ousmane Gueye et des conseillers municipaux de la commune de Sali, notre pays vient de bénéficier d'un nouveau commissariat de police. Monsieur le maire, je commencerai par vous remercier parce que vous avez bien compris votre mission. J'en profite également pour exhorter mes collègues maires à suivre vos pas. Faisant ainsi, je pense que la police va très bientôt assurer une présence dans tout le Sénégal. Monsieur le Président de la République a bien voulu soutenir votre volonté par la création, suivant le décret 2019-1360 du 9 septembre 2019, le commissariat urbain de Sali-Portugal. En contribuant ainsi à améliorer l'offre de services de sécurité, la commune de Sali a fait passer le nombre de commissariats de police à 60 sur l'étendue du territoire national celui de Sali dont le fonctionnement effectif est matérialisé par la présente cérémonie d'inauguration aura quasiment un caractère spécial. Dès lors qu'en sus des activités classiques de sécurité, il sera doté d'un bureau de l'OCRTIS et d'une antenne du commissariat spécial du tourisme. Mesdames et messieurs, population de Sali, relever les défis sécuritaires a toujours constitué un maître mot dans les orientations formulées par M. le Président de la République. Les actions qui ont suivi se sont soldées en conséquence par des résultats probants, au nombre desquels la mise en service récente des commissariats de Sédiou, de Namato Atouba et de Koloban Gouimine, L'ouverture prochaine d'un commissariat à Durbel, d'un poste de police à Yembel Sud et d'ici la fin de l'année de huit commissariats de police dans la banlieue de Dakar. Le démarrage des groupes opérationnels du groupement mobile d'intervention à Durbel, Kolda et Kidougou. La densification des équipements et des effectifs dans tous les services de police. Le renforcement de la lutte contre la grande criminalité avec comme dominante les actions contre la drogue et la cybercriminalité. Population de la commune de Sali, je requiers de vous, face à ces efforts du gouvernement, une collaboration accrue avec la police afin de maintenir les performances et élaguer pour toujours le sentiment d'insécurité qui s'harmonise progressivement grâce à l'action de la force publique. Fort heureusement, votre maire a bien compris le soutien qui est le vôtre en observant la clause générale attributive des compétences du Code général des collectivités territoriales en vertu duquel code celles-ci peuvent effectivement concourir au développement économique, social, culturel et sécuritaire. À la suite de M. le Président de la République qui a fortement apprécié vos efforts en matière de sécurité, je félicite M. Ousmane Gueye, maire de Sali, tout en l'encourageant à accompagner la police nationale. À vous, commissaire Daudemboch, nouveau commissaire de Sali, pendant toute la durée de votre séjour, vous aurez la charge, sous l'autorité de M. le directeur général de la police nationale et des autorités administratives, de protéger les personnes et les biens, de maintenir ou rétablir l'ordre, d'exécuter les règlements de police générale et municipale. C'est effectivement dans cette manière que vous devez apporter votre soutien au maire sous le contrôle de l'autorité administrative afin que la police municipale contribue à améliorer le cadre de vie à Sali. Je vous invite à travailler en parfaite intelligence et complémentarité avec la gendarmerie qui, jusqu'ici, assure parfaitement la sécurité dans l'arrondissement de Sindia. Votre présence devrait faciliter la tâche de la gendarmerie et de la police. C'est sur ces mots d'engagement que je lance officiellement le démarrage du commissariat urbain de Sali. Monsieur le ministre nga le président Marco ko jàppale ci œuvre ci Sali ne ko tali mako ko mais dañu am lenen lu gëna reuy lu dëkk bi tégal ci sama loss té ma yaakaar ci conseil municipal bi mais ma ci président de la république monsieur le ministre Sali turam fo toll ci réew mi xam nañ ko suñu yëngato si walu sécurité am gendarmerie am di continuer di le colonel euh, gendarmerie parce que brigade sali joxat nañu benen brigade de proximité si Sali ñax-ñaxal actuellement dañ ay locaux pour installer len fof mais dañu bëgg gëna population yi sécuriser gan yi procès pour tabac ben centre de santé de référence muy ben hôpital fi vraiment mu am niveau bo xamné ne gan fu gan di mën a di ñëw ci réew mi dina xamné ah buma sali plateau médical bi relevé nañ ko dana mën a faju si ni ma kon monsieur le ministre lolu doléance la buma am di la ko jox nga tégal mako ci lexo président de la république monsieur le ministre nga wax né ko sali sportif au Sénégal yépp fu ñu amee compétition internationale si biir réew mi boo demoon léegi Pan Bis boxeur yëpp fa la ñu loosi ak si yeneen hôtel yi sali lañ koy defee waaye su heure entraînement jotee dañuy génn dem Thiès wala ñu génn dem euh, dem Dakar wala feneen pour def fa seen entraînement te nga jàpp ne Saly mérito na am stade municipal ne ko dama bëgg a am benn stade municipal boo xam ne norme FIFA lay am te dama bëgg mu jàpp si am naa terrain bi am naa plan yi yooyu yëpp góorgóorlu naa ba am ko te pare naa aussi pour jël si xaalisu commune bi dugal ko si si projet yi ma koy wax yëpp pour mu jàppale ma si beneen bi si des ma le ministre sali dama bëgg tabaxal nañ leen lycée am lycée mais je bëgg moderniser le lycée de Sali. dama bëgg mu jàppale ma pour ma tabax programme bi am muy sama six priorités tabax lycée moderne de Sali, daf mais monsieur le ministre Sali, dama am ay ay jàmbaaru fàkk tëdd jigen ñoo xamne ne mag ak ndaw kenn ku nek bo xeye am nga foy daw am nga foy aw pour utiloo andi pour jàppale sa borom keur ñooñu ñu am ay groupement féminin ya 113 groupement féminin ñu créé leen ben fédération des groupements té seen activité yépp dañ koy def en plein air té dama bëgg def ben maison de la femme bo xamne ne bi dafa ëlewé ma bëgg président jàppale ma si mais monsieur le ministre pour jéxal ma bëgg tabax aussi li nga xamne moy maison de l'outil maison de l'outil moy keur go xamne xale yi am entrée sixième te dematuñ wala ñi am bac te dematuñ wala ñi nga xam ne jotuñu sax jàng ñu bëgg tabax benn kër goo xam ne dafay am kooru métier yëpp day am menuisier menuisier métallique élect lépp luy métier dama bëgg tabax kër goo xam ne xale yi kenn dootul taxawaalu si mbedd mi ñëpp dañ fay dem di fa di fa di fa jàng ji kon ma bëgg yooyu nga tegal ma ko si loxo président fi may jeexale nag fi may jeexale mooy wax waa Saly ne leen commissariat bi wala muy brigade gendarmerie sécurité may leen ma tuuti tey nag kilifa yi laay waxan sécurité population yi la te yaakaar naa ne fu ma taseeg yéen wax naa leen nanu dimbali suñu bopp dimbali suñuy force de l'ordre ba ñun ñi moom suñuy kër te mairie bi amul sañ dugg si kër gu nekk ne bu luyee diw luyeel diw parce que diw jubul dama bëgg képp kuy joxe sa néeg di joxe sa caabi kër na xam kan ngay luyee ki ngay luyee kan la ban façon nit la su dëkkee sa kër lan la lay jural ak lan la lay andi waaye bu ñu tabaxoon ay gendarmerie tabax ay police ci koñ bu nekk si Saly te borom kër yi jóguñu taxaw jàppale seen bopp ci wàllu sécurité ma wax en bari na si ñoo xam ne boo leen ne ki nga luyee ni mu mel mu ne la ñoom ñooy fay lu baax mais ma ñëwaat ci ne la kiy fay lu bari di la fay cent mille francs par weer te doom joo joojur mu yàqal la ko ba dootu amal benn njariñ ak ki lay fay juróomi junni par weer te doom joo am mu juróom mu defaral la ko ba mu baax damay xool ñaar yooyu ban ngay méngale ban nga war a jël defe naa ki lay defaral sa njaboot kooku nga war a jël kon dama bëgg a waa Saly nañu xoolaat bu baax bu ñuy joxe seen néeg yi kan lañ koy jox bu ñuy ut ay dëkkandoo ñan la ñuy dëkkal parce que nag il faut ñu xeex ak ñi nga xam ne lu bon rek moo leen tax a jóg